C'est parti pour le journal de la campagne. Les titres. Il était la star de la rue ce vendredi. L'ancien président maître Abdoulaye Wad. s'est payé le luxe d'un bain de foule. Il a sillonné les artères de la capitale. Une caravane de Benobok a était à la Médina. Papa Abdoulaye Sek, Maïmounondo Sek et Seydou Gueye sonnent la mobilisation autour de Makissal. Sall. Alouga le le fait parler de lui. Il multiplie les visites de proximité. Il a été reçu aujourd'hui dans le village de Boudi. Sornadien Karamba, qui était l'invité de l'émission Débattre Campagne sur Dakaractu, la tête de liste nationale du Parti de la Vérité pour le développement prône une assemblée du people. Voilà pour le sommaire, le développement c'est tout de suite. Opération séduction pour Abdoulaye Wade après la marche bleue sur la route de l'aéroport. Le candidat tête de liste de la coalition gagnant doit au Sénégal a encore pris la route, un moyen de redonner un nouvel élan à sa campagne qui avait déjà démarré. L'équipe de campagne du PDS a encore sillonné les artères de Dakar ce vendredi. La caravane dirigée par Maître Abdoulaye Wade dont le top départ a été donné au siège du Parti démocratique sénégalais est passée par l'avenue Blaise Gagne puis le rond-point Sandaga, l'avenue Malixi et Petersen avant de poursuivre sur Wakamgo. encore et off. L'objectif de ce périple, selon Mayor était d'aller à la rencontre des Dakarois afin de leur expliquer comment une majorité pour la liste de Ouattou Sénégal à l'Assemblée nationale peut changer la donne, Dans la caravane à l'effigie du pape du Sopi, des autocollants et autres t-shirts ont été distribués. Les Dakarois ont bien accueilli le pape du Sopi. Les responsables de la Médina, Seydou le directeur des impôts Sherba, le ministre Maïmouna Noïsek ont pris part à la caravane initiée par le ministre de l'Agriculture, pape Abdoulaye Sek. Une procession lors de laquelle les responsables ont tous, au vu de la mobilisation, indiqué que seul le défi du score restait à relever. Reportage Momodou Diouf. Cette fois-ci, cette fois encore, et cette fois surtout, que la Mérida a donné le toutis à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur Macky pour une large majorité à l'Assemblée nationale. C'est la confirmation que le président Macky Sall est dans une bonne direction pour tirer l'émergence afin que nous puissions avoir des dividendes partagés pour un Sénégal de bonheur, un Sénégal de prospérité, un Sénégal aux richesses partagées. C'est pourquoi aujourd'hui la Médina a dit oui. C'est une mobilisation spontanée des populations de la Médina qui ont décidé d'engager les populations de la Médina dans un vote, un vote utile le vote au profit de Benno Bokyakar pour donner au président Macky Sall une majorité très très large à l'Assemblée nationale. Vous avez constaté de vous-même, toute la Médina est dehors. Les gens se promènent tranquillement. Aujourd'hui, il n'y a aucune attaque contre notre caravane, puisque ceux qui coupent la route des caravanes, comme du temps du Far West, on cherche à les ramener. Nous sommes djebelousi, Médina Nena Benno. Donc aujourd'hui, c'est la Médina. L'opposition n'a qu'à faire ce qu'elle a envie de faire. La Médina a tourné le dos à la majorité qui était là, municipale. La Médina est engagée pour accompagner le président Macky Sall. Je crois qu'aujourd'hui, on peut dire, on peut répéter que la cause est entendue. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute. Le défi n'est plus la victoire, le défi, c'est le score. Toujours dans le Bénin, le mouvement Dolimaki était en visite chez Sering Mansoursar. Mamour Diallo a magnifié la présence du Sering à ses côtés. sama campagne électorale. sama campagne électorale. ñi ma jege xam nañ ni. ñi ma jege xam nañu ni. fii laa ko bëggoon a commencé. fii laa ko bëggoon a commencé. ndax commencer. ndax n'ak. ca tàmbaliwaay ba fii la woon. ca tàmbaliwaay ba fii la woon. waaye nag yàlla suñu borom. moo ko dogalee suñu borom moo ko dogalee mu ko kon nag sëriñ bi kon sëriñ Mansour ñu ngi feddaliwaat suñu kóllëre sa diggante ak yow ñoo ngi feddaliwaat suñu kóllëre suñu diggante ak yow di xam ni ni ñu jàppe xam nañ ko di la xamal ni nii ko de ni nga jàppe suñu njaboot tam xam nañ ko nii nga jàppe suñu njaboot gi xam nañu ko ñuy nag président Macky Sall daf ma woo téléphone président makki Sall daf maa woo téléphone di ma wax leneen di ma wax leneen bi ñuy waaj a pare bi ñuy waaj pare suñu waxtaan ci téléphone bi mu ne ma yow ndax xam nga Serigne Mansour Sarr mu ne ma yow Mamadou Mamour Diallo ndax xam nga ku yoo wax Serigne Mansour Sarr dëkk ma ne ko bu baax a baax ma ne ko bu baax a baax a baax mu ne ma loo ko mënoon a téye dinañ ko téye mu ne ma loo ko mënoon a téye na nga ko dolli ma ne ko ah président kooku sama xarit la ma ne ko ah président kooku sama xarit la Elle était reçue par Badara Diopé et l'âge Guissé sur le plateau des débats de campagne sur Dakaractus Sorne Djambake, tête de liste nationale du Parti de la Vérité pour le Développement, opte pour une assemblée du People. L'ancienne journaliste de la RT liste les carences de l'assemblée au micro de Jean-Pierre Correa. Nous battons pour une assemblée de rupture, un député proche du peuple, préoccupé par euh, le quotidien des Sénégalais, et qu'il soit là-bas, non au nom d'un parti ou au nom d'un chef de parti, mais au nom des populations sénégalaises qui l'ont élu et bien élu. À présent, suivons l'éditorial de la rédaction. Abdoulaye Ouad est seul au bord du précipice. Ce lieu, consubstantiel à son ego et à la stratégie politique qu'il a érigée en méthode de combat, ce lieu où il adorait attirer ses adversaires, les mettant au défi de sauter dans le ravin que ses menaces de déstabilisation permanente avaient transformé en poudrière sociale. Depuis son retour au cambolesque de Paris, que tous les Sénégalais ont vécu comme un accueil à la Vaïdéi, qui avait été ovationné par cent mille désœuvrés et raccompagné par pas un seul d'entre eux, Gourgui draine des foules, certes denses, plutôt dissipées, étant de Galgi, mais la mer a changé et il est aujourd'hui moins aisé pour ce tribun exceptionnel d'y faire plonger les frustrés en quête de Sopi, slogan toujours scandé et qui n'a d'ailleurs plus de sens. Cet ultime fipou du vieux patriarche qui pourrait montrer une feuille blanche aux foules et la brandir comme preuve des crimes financiers de son ex-PM a des allures de dernier tango. Et le vieux lion ne fait plus peur avec ses promesses de lendemain de poudre. Du coup, même si l'objet de sa bravade est légitime, appeler sa rue publique à laquelle il doit tout à une marche ce mardi ne devrait plus faire peur à un pouvoir dont on sait qu'il a le mandat de dépôt facile. Le fier à bras redevient danseur de tango et va certainement amorcer un pas arrière l'Est et devrait plus sagement enfiler ses habits de rassembleur patriote. C'est ce qu'on espère d'un homme qui a écrit de belles pages de notre histoire. De toute manière, les Sénégalais n'ont même pas peur. Et leur précipice à eux s'appelle la queue du diable. Alors, Ouad a intérêt à calmer le jeu. Les Sénégalais ne laisseront personne, au nom de son fils aujourd'hui victimisé, leur faire perdre la sérénité et la vigilance citoyenne qui leur seront nécessaires pour juger ceux qui eux-mêmes ont fixé les barèmes de la rupture. Laissons-le donc s'ennuyer au bord du précipice. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain, s'il plaît à Dieu. D'ici là, restez connectés sur Dakar